Sıcı Sıcı Sıcı Sıcı Sıcı Sıcı Sıcı Sıcı Sıcı Assalamu alaikum bok ayam. di leen di nuyu lii étape la rek boo xam ne ci yoon bi la woon xamoon nañ seen engagement cette détermination waaye xalaatuñu woon ñu lim bu ni nii taxaw ci naaj bi di xaar lii nag li muy tekki mooy les populations de Agnam à l'image de tout le Sénégal sont résolument inscrites dans la dynamique du changement irrévocable, irréversible et définitif. Yen, yen les militants de Agnam. De manière générale, militants ont passé pour zone mais yen Agnam en particulier. De manière de décerner une mention spéciale. De manière de militer filles, pour passer, Nous je répète dit dix fois militer le passif en Casamance voilà à Dakar voilà à Mbaké, voilà à Saint-Louis Nous durant toutes ces années durant toutes les années nous toutes les pressions yi les pressions sociales les pressions culturelles durant toutes ces années, vous avez fait face à la furie de l'argent volé des caisses de l'État et malgré tout, vous êtes resté debout. Mais l'un de vous n'a rien quoi. L'un de vous n'a rien quoi. que nous avons na tout le département eu une mallette d'argent di jox eu 50 millions et 80 millions ben garantie la il mën a jox mooy ce sera la dernière élection au Sénégal bu muy génnee sax naan day nek candidat à Kor Sori mu yor xaalis naan da koy distribuer c'est la dernière. et añam bi ñu xam añam mérite autre chose que cette image d'un homme bo xamné ne amul niveau bi amul xam-xam bi et qui s'est retrouvé au cœur de la République par la volonté d'un président nous devons ko ci toutes les mafias mafia foncière mafia financière les loo xalaat ci loo xam ne détruire réew bi nous ñu dugal ko ne mérite pas ça et vous vous êtes la preuve vivante que Agnam ne mérite pas ça Agnam c'est des gens dignes des gens loyaux, des gens intègres, des gens éduqués, des gens qui ont tout le bagage pour contribuer à la construction du pays, mais dans le sens positif, c'est-à-dire dans le dupe, dans le double et dans le tarnac, je ne me fais aucun doute que le résultat du vie, il ne devient qu'un défi Il défi pour montrer que le vrai visage de Agnam, moi, cette jeunesse déterminée, moi, ces intellectuels, moi, ces immigrés, qui très tôt ont adhéré au projet et qui ont contribué à sa formalisation. Le 17 novembre, moi, donne le dernier épisode vie à Agnam pour mettre définitivement au rebut les voleurs et les détourneurs de la République. Nous voulons leen di campagne une dizaine de jours moi ci des bëreetul Vous voulez xool xaalis à la rencontre des populations de l'intérieur allez leur faire comprendre que Agnam Warudes des à l'heure du changement définitif et à l'heure des premiers pas vers le développement structurel du pays L'autre moitié

Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est Dieu. Sonko, c'est pas les marabouts. C'est Dieu. Sonko, c'est pas les marabouts. C'est Dieu. Sonko, c'est pas les marabouts. C'est Dieu. Sonko, c'est pas les marabouts. C'est Dieu. Sonko, c'est pas les marabouts. C'est Dieu. Sonko, c'est pas les marabouts. C'est Dieu. Sonko, c'est pas les marabouts. C'est Dieu. Eh, je vais jouer. C'est Dieu. mi ngi nii kii mooy l'homme de Sagnam mi ngi noonu kii moo l'homme de Sagnam c'est lui qui mobilise Sagnam depuis des années moom mooy xeex ak le mafieux qui est là mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu Les jeunes que vous voyez, moi et ak le m'a en chef qui est là depuis quelques années c'est pas c'est pas pas les C'est ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit cent pour cent naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe itam day raxas sa biir ba mu set wecc xar yëpp xar lañ waaye laa dum da te bu ñu nee tax